Née en 1982, de taille moyenne, joviale, mariée et mère de trois enfants, Madame Lawal Hassan est titulaire d'un Master 2 en droit obtenu avec brio à l'université au Maroc. Madame Lawal Zouaira Hassan est commissaire de police et occupe le poste de chef de la division des études réglementaires et statistiques à la direction de la sécurité publique. Elle se démarque par son courage et sa détermination à aller de l'avant. Elle nous livre ici pourquoi elle elle a intégré le corps de la police euh, Je peux dire que les raisons sont d'ordre familial. Mon papa était un policier très passionné de son métier. Il aimait énormément la police. Donc c'était un sentiment qui m'avait beaucoup marqué dès mon jeune âge. C'était après son décès que j'avais eu l'idée d'emboîter ses pas. C'est ainsi que j'avais intégré le corps de la police nationale en mars 2011 avec le soutien de mon époux. Historique, elle s'est vue confier dès sa première année d'exercice un poste de responsabilité habituellement réservé aux anciens très expérimentés, poste qu'elle a occupé avec abnégation. Mon premier poste d'affectation était la direction de la police judiciaire où j'étais nommé chef de la division des enquêtes économiques et financières. À ce titre, j'ai eu à traiter des dossiers sensibles, des dossiers de grande envergure, dont euh, certaines sont encore pendant devant les juridictions, ce qui ne me permet pas de parler de ces et je pense que euh, le choix n'était pas fortuit. Le travail de Zouera est très apprécié de ses collègues, comme en témoigne le commissaire de police Hassan Zakari Mahmoudou Bachir de la direction de la sécurité publique qui la trouve très engagée. Ça va être bientôt trois ans que je côtoie la commissaire Zouera et je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui est beaucoup engagé et qui démontre un peu euh, une forme de passion pour le travail qu'elle est en train d'accomplir. Elle a le mérite de faire partie en tout cas des femmes exceptionnelles qui se battent nuit et jour et qui arrivent à démontrer que tout ce que l'homme est capable de faire sur un plan purement intellectuel, les femmes aussi en sont capables très brave, Zouaira dit n'avoir pas rencontré de difficultés pour concilier vie familiale et vie professionnelle. De même, sur le plan travail, en dehors de quelques hommes qui hésitent à obtempérer aux ordres donnés par la femme, elle lance un appel aux jeunes filles pour embrasser en masse le corps de la police qui, selon elle, est un métier noble et passionnant. Le métier de policier est un métier noble, très passionnant, un métier qui a beaucoup de récompenses divines lorsqu'on l'exerce selon les principes qui l'encadrent. Donc, elle peut venir sans aucun problème.